le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h15 minutes. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalango au micro Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalango sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et enfin FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningaure, Tirozerine, Magaria, Mainesoroa, Tamaské, Bouza, Dolbel et N'oubliez pas aussi notre site internet studiokalangu.org et la page Facebook Studio Kalangu. Le forum de ce jeudi 30 mars porte sur la méningite, la méningite qui sévit au Niger depuis un certain temps. Rien qu'hier soir, le ministre de la Santé publique a animé un point de presse pour présenter la situation de l'épidémie à la date du 29 mars 2017. Selon Idi Ilias Menassara à Niamey, trois centres de santé intégrés du district sanitaire de Niamey 2 sont entrés en épidémie les quartiers concernés, ce sont Kwarategi, Lazare et Bukoti. Ces quartiers à eux seuls enregistrent 90 cas, dont 4 décès. Six autres districts euh, sanitaires sont en alerte. Le district sanitaire de Niamey 3, le district sanitaire de Niamey 4, district sanitaire de Kolo, district sanitaire de Konni et de Junju et de Tibiri. Le germe responsable de la maladie est le méningocoque C. Le ministre ajouté par ailleurs que d'autres zones continuent à enregistrer des cas sporadiques mais n'ont pas atteint le seuil épidémique. Côté dispositif des prises en charge, le ministère dispose d'un stock de, euh, de, produits permettant de prendre en charge plus de 22 000 malades. Pardon. Il y a également la mise en place d'un stock tampon de vaccins et la préparation d'un plan de sensibilisation de la population à la communication de proximité dans les zones à risque. Dans ce forum, nous allons vous édifier sur la maladie, mais avant, actualité oblige, nous mettrons l'accent dans la première partie sur le dispositif mis en place pour faire face à l'épidémie. Dans la seconde partie, nous allons chercher à comprendre ce que c'est la méningite, ses symptômes, ses différentes formes, ses causes et ses complications, la prise en charge. Et dans la troisième partie, il sera question de la prévention. La méningite, pour en parler, nous avons invité des personnes bien indiquées. Nos invités dans ces studios, à ma droite, docteur euh, Issouf Jibou, épidémiologiste. Bonsoir docteur, merci d'être là, vous allez vous présenter davantage. Merci. Donc euh, je suis docteur Jibou Issoufou, je suis médecin épidémiologiste à la direction de la surveillance et de la réponse euh, aux épidémies du ministère de la Santé publique. Merci beaucoup, docteur, d'être là. Et à ma gauche, docteur Haidara Haruna du Saint-Famed, présentez-vous. Monsieur docteur Haroun Haidara, je suis chargé de relations extérieures du syndicat des médecins chirurgiens dentistes du Niger et également je suis responsable du CSI Magama. Voilà, merci beaucoup Haidara d'être là et si les conditions techniques les permettent, nous avons aussi en ligne docteur Moumouni Garba. Bonsoir docteur. Bonsoir, vous allez bien oui. Euh, présentez-vous à nos auditeurs davantage. Voilà, je m'appelle Dr Garbo Moumouni, je suis pédiatre au centre mère enfant de Boucher. Merci pour, euh, de, de nous prendre en ligne. Merci beaucoup. Chers invités, merci une fois de plus de venir et de, nous prendre au téléphone. La situation de la méningite évolue chaque jour et malheureusement de mal en tout cas à l'image de la ville de Niamey qui enregistre à la date d'hier 90 cas pour 4 décès. Mais il n'y a pas que Niamey, beaucoup d'autres régions sont aussi concernées. Et c'est pour cela, pour faire, disons, le point, je vais m'adresser à Dr Issoufou Jibou, qui est, de, qui est épidémiologiste et qui est à la direction de la surveillance et de la riposte aux épidémies. Docteur, on a déjà, on connaît un peu la situation, c'est brossé par le ministre dans le journal. Peut-être que vous en donnez d'autres détails ou bien expliciter davantage ces, districts-là. Euh, merci. Euh, je profite d'abord euh, pour vous remercier des activités que vous êtes en train de faire dans le cadre vraiment de sensibiliser la population nigérienne euh, je pense que euh, c'est des activités à encourager. En tant que média, un de vos rôles, justement, c'est de contribuer à une prise de conscience de la population sur des thématiques, surtout des thématiques comme la santé. Donc aujourd'hui, nous sommes euh, un peu dans une situation particulière. Donc suite à la déclaration officielle de l'épidémie de méningite à Niamey, notamment trois quartiers dont vous avez cité le ministre tout à l'heure. Donc, euh, pour euh, dire ce quoi euh, ou bien quels sont les dispositifs que le ministère de la Santé publique est en train de... avant les dispositifs, vous avez les chiffres d'abord. Oui, je, voudrais en justement par rapport à ça. Donc, parce que pour prendre des dispositifs, il faut, nous sommes au, niveau de la santé publique, il faut vraiment des chiffres. Et pour obtenir les chiffres-là, il faut, euh, il y a des normes. Et généralement, c'est ce que les gens ne comprennent pas euh, par rapport à, la ménagite ou bien de façon globale à toutes les maladies à déclaration obligatoire, c'est-à-dire les maladies que le ministère de la Santé publique donc, a définies au Niger qui doivent être fait l'objet d'une surveillance accrue. Ça peut être bien sûr une surveillance aussi de routine. Ça dépend maintenant du contexte et aussi de la gravité ou bien de la fréquence de la maladie au sein de la population ou bien dans nos régions de façon euh, globale. Donc pour le cas spécifique, je reviens de la, de méningite parce qu'il fait partie euh, des maladies à déclaration obligatoire. C'est-à-dire aujourd'hui, quel que soit l'endroit où on se positionne, dès qu'il y a un CSI sur le territoire national, qu'il y a un cas de méningite, ce cas doit faire l'objet d'une notification qui va donc prendre en charge tout ce qu'on appelle la pyramide sanitaire, c'est-à-dire de la case de santé où on a recruté le cas. C'est-à-dire on a notifié le cas, il va passer par le CSI parce que la case de santé est sous la coupe de CSI, ça va au niveau du district. Le district le remonte au niveau de la région et la région le centralise maintenant pour le remonter au niveau de la direction euh, de la surveillance et des ripostes. Donc qui fait maintenant le cumul ça dépend de quel rythme. Si c'est des cas sporadiques, c'est-à-dire des cas qu'on euh, notifie un peu partout, je vais venir par rapport au seuil pour dire qu'il y a épidémie. On, va en venir, voilà, ensemble. Donc, euh, par rapport aux chiffres, effectivement, vous avez cité tout à l'heure le ministre euh, euh, de, la santé publique. pour l'instant, en tout cas au niveau du territoire national, on sait que Niamey, euh, à travers donc euh, trois quartiers, est en épidémie. Donc il faut faire la différence ici parce que c'est là où les seuils vont intervenir. Le quartier est Foulankwara. Le quartier, est, comment dirais-je, Vous voulez vous en tenir à ces chiffres du ministre Il n'y a pas d'autres précisions sur les zones Oui, c'est ça que j'aimerais en venir. Je suis en train de, parler. Donc, les trois quartiers d'abord, qui sont Lazari. Euh, Bukoki et Fulankwara. Donc, qui sont des quartiers populaires où il y a d'ailleurs deux fois, même en 2015, moi j'étais le médecin-chef du district 2, donc qui à la charge donc de cette euh, zone-là, il y avait eu des épidémies. Donc, la déclaration pour dire qu'une région ou bien un district, un CSI ou bien un quartier en épidémie, il y a des normes. Donc c'est pour ça que j'aimerais dire que eh, quand on dit de façon globale, Niamey n'est pas en épidémie. Mais il y a certaines oui, sont voilà. en épidémie. Quelles sont les normes Donc euh, maintenant, les normes c'est quoi Il y a trois eh, paliers, hmm. trois escaliers. Il y a ce qu'on appelle, il faut franchir d'abord le seuil d'alerte. Donc d'abord c'est les cas sporadiques que on compile donc cette, euh, cette, semaine, il y a un cas, on dit voilà, on notifie. Maintenant, jusqu'à ce que maintenant on atteint ce qu'on appelle le seuil d'alerte. Après le seuil d'alerte, vous avez ce qu'on appelle le seuil épidémique. Le seuil d'alerte. Et c'est en ce moment. Et c'est en ce le, moment. Le seuil d'alerte d'abord. Oui, je, vais, je, vais, je, vais, revenir. Donc le seuil d'alerte. Et c'est en ce moment, le seuil épidémique, pardon. Le seuil qui le définit. C'est pas un pays. Le pays il y a ce qu'on appelle une définition standardisée de l'OMS. Donc, c'est l'Organisation mondiale de la santé à travers ses experts. Donc, de plusieurs épidémies qui ont passé à travers le monde, ils vont dire, voilà, nous, de façon consensuelle, on va dire que il y a alerte dans un quartier, il y a alerte dans un district quand on a franchi un certain nombre de chiffres statistiques. Donc c'est le pays. Combien par exemple Oui, je vais en venir euh, aux statistiques. Oui, parce que. <laughs> D'accord. ok. Donc euh, de façon un peu résumée, le seuil d'alerte c'est 3 cas pour 100 000 habitants par rapport pour la méningite. Hmm. Donc euh, c'est-à-dire que c'est le cas par rapport à la population de quartier, de contrée ou bien de la région. Mm. On, va revenir à vous, le temps de donner la parole à Dr Haidera, qui représente euh, le, le Saint-Famed et qui est aussi médecin, notamment à un des quartiers qui est concerné, c'est Safoulin Kora. Euh, comment vous vivez Quelle est la situation dans votre quartier, euh, dans votre CSI, pour, donner, pour illustrer, par exemple C'est déjà connu. Donc, d'abord, nous vous remercions de, de, cet espace que vous nous donnez pour échanger de situation d'urgence parce que maintenant c'est officiel, le ministère a déclaré, le ministère de la Santé publique a déclaré l'épidémie. Et effectivement, l'épidémie au niveau de Niamey, c'est le district 2 qui comporte donc Foulankwara euh, Lazare et Bukoki. 90 cas sur 4 décès. Ça, c'est des chiffres, bien sûr, il y en a ceux qui échappent. Mais au moins, on a pu recueillir ça et déjà, on est en épidémie. C'est pour dire que vraiment, c'est une situation qui est vraiment euh, critique quand est-ce qu'on est en épidémie Bon, ça en a parlé, mais je vais donner plus d'autres détails en profondeur. L'épidémie, il a dit, c'est des paliers, il y a trois stades. Maintenant, pour déclarer le seuil d'alerte, par exemple, pour 30 000 habitants, il faut au moins deux cas présumés. C'est quoi un, cas présumé par semaine Deux cas présumés par semaine. C'est quoi un cas présumé C'est-à-dire c'est un cas qui vient avec des signes qu'on va voir comme vous l'avez dit, on va voir euh, après, les différents signes de méningite qui viennent dans un centre CSI. Donc, si dans le CSI, on on fait des notifications. Si par semaine, on a deux cas de ce présumé-là, on fait l'analyse, on amène. Maintenant, l'autre semaine aussi, on a deux cas. Donc, pour 30 000 habitants, on est déjà en seuil d'alerte. Deux cas pour 30 000 habitants par semaine. On est en seuil d'épidémie si on a trois cas 5 cas, excusez-moi, pardon, pour 30 000 habitants par semaine. Ou si à chaque semaine, on double le nombre de cas. Par exemple, si aujourd'hui, cette semaine, on a un cas, l'autre semaine, on a deux cas, la troisième semaine, on a quatre cas, déjà, on est en seuil d'alerte pour une population de 30 000 habitants. Maintenant, pour une population inférieure à 30 000 habitants, pour une population entre 30 000 et 100 000 habitants, ça, c'est des normes. Hein. C'est 30 000 à 5 000 habitants. Le seuil d'alerte, c'est quand on a 3 cas par semaine. Dans le cas de euh, c'est à peu près combien Dans le cas de Foulan comme on le dit, je ne connais pas la population, on a 90 cas avec 4 décès. Pour tout Niamey mais... Non, non, pas pour tout Niamey pour le district 2 et mm. pour le 3 CSI. C'est Ces 3 CSI, Foulan-Kouara et Lazare, et Bukoki. Déjà, les, spécialistes en épidémiologie, ils ont déclaré l'épidémie. Donc, c'est pour vous dire que c'est en fonction de ces chiffres-là. Et, là, j'attire l'attention de la population que l'épidémie, ça ne se déclenche pas comme ça. Donc, on a dit pour le, moins de 30 000 habitants. Maintenant, entre 30 000 et 100 000 habitants, on a dit le seuil d'alerte. Maintenant, pour les seuils d'épidémie, c'est 5 ans et 5 cas par semaine. On va rejoindre... Alors, si on a une incidence, par exemple, dans une période qui n'est pas épidémique, on double le cas, le nombre de cas a augmenté, là, on peut déclarer. Donc, c'est pour vous dire que c'est des normes qui sont là, qu'il faudrait respecter pour déclarer. Merci pour ce complément. Docteur Moumouni Garba, vous qui êtes au téléphone depuis Dosso Oui, je toujours au téléphone. Oui, euh, est-ce que vous avez suivi euh, les explications de vos deux autres confrères Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la situation de Dosso Je ne sais pas si vous avez acheté autre chose et c'est tout pour Dosso, dans le centre dans lequel vous travaillez. Donc, euh, à la date d'aujourd'hui, 30 mars, nous avons recensé 22 cas. 22 cas euh, présumés, dont 5 cas confirmés. Pour... Voilà, sur les 22 cas-là, nous avons eu 3 décès. pour toute la région de Dosso Bon, pas toute la région de Dosso, je ne peux pas dire toute la région oui, au niveau du centre-mère enfant de Dosso, c'est les cas qu'on a recensés au niveau du centre-mère enfant de Dosso. On a commencé à avoir les cas vers le 15 février. Donc du 15 février à aujourd'hui, nous avons recensé 22 cas. 22 cas, et dont 3 voilà, décès juste au niveau du centre-mère enfant de Dosso. Oui, merci. Et quels sont les principales, qui sont les principales victimes Généralement, c'est les enfants de, en tout cas, les, cas les plus fréquents qu'on rencontre, c'est les enfants autour de 5-10 ans. 5-10 ans. Les enfants âgés de 5 à 10 ans. Merci pour ces précisions. Nous allons revenir à vous, le temps de donner la parole à, euh, à Dr Issoufou docteur, vous n'avez pas encore expliqué quelles sont, de façon générale, les régions qui sont concernées. On ne va pas trop tirailler sur les chiffres apparemment, mais vous allez quand même donner une situation beaucoup plus explicite par rapport à ce que le ministre a donné, si c'est possible. Toujours, si je m'appuie euh, sur euh, ce que la déclaration officielle, hmm. quand vous prenez, ils ont, euh, au-delà de Niamey, on a cité aussi un certain nombre de districts qui sont en alerte notamment par exemple le district de Kony, le district de Kolo. Donc, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il, a, il, a, il avait donné ce qu'on appelle la stratification. Mm. Donc, euh, par rapport maintenant, parce que à un certain moment, la déclaration d'épidémie se fait par district. Donc maintenant, l'OMS a dit non, ce n'est plus ça parce que le district peut cacher certains euh, quartiers, certains villages. Donc c'est pour ça que maintenant, on avait amené le chiffre jusqu'à 30 1000 habitants pour un certain nombre de CSI. Et maintenant, on va même mieux dans la stratification pour permettre même de déclarer des quartiers en épidémie. Donc, et c'est sur cette base de stratification-là que vous avez vu le ministère de la Santé a déclaré donc, les épidémies dans les quartiers de Fulankwara, dans les quartiers de Bukoti et autres là. Hmm. Mais si on s'en tient à la classification, par exemple, d'avant, pour qu'on puisse dire que le, même le district 2 est en épidémie, il fallait vraiment pour qu'un certain nombre de chiffres soient réunis. Donc voilà, si on s'attire, ça veut dire que euh, Koni, c'est Titawa, Kolo, c'est Tilaberi, et aussi il y a euh, un, euh, comment dirais-je, Gaïa aussi, qui est en alerte. Donc c'est à peu près ces quatre régions qui sont concernées par la menace actuellement. dans, lors du premier point de presse, il y avait deux régions juste qui n'étaient pas concernées sur les, sur les huit régions. Hein. Oui, vous savez, le, la, notification change et c'est pour ça qu'on dit les seuils. D'accord. Alors, on va évoluer pour euh, un peu euh, parler sur l'aspect germe. Euh, selon les autorités, selon le ministre de la Santé publique, le germe responsable de l'épidémie ou de la maladie, c'est principalement le méningocoque C. Qu'est-ce que c'est ces germes là Donc, évidemment, on a identifié de façon, en tout cas, à l'OMS, je prends toujours la référence de l'OMS, il y a jusqu'à 13 sérotypes. Donc, c'est quoi sérotype C'est-à-dire 13 différents germes qui peuvent provoquer la méningite, dont 6 qui sont capables, en fonction donc des conditions et en fonction de la position du pays au niveau de la ceinture méningée, parce qu'on n'a pas parlé de ça. on, parlera de la ceinture. Voilà. Donc ces six-là, sont capables de faire, d'entraîner des épidémies, dont le méningocoque Donc avant, c'est le A qu'on connaît. Mais jusqu'à 2010, 2010, euh, il y avait eu ce qu'on appelle la vaccination de Menafrivac qui a concerné l'ensemble du pays. Ce qui a fait en sorte que le A ne circule plus. Et en 2015, à la surprise générale, le C a émergé. Parce que alors, le C n'était pas en circulation, c'était le A. Donc, et vous avez vu en 2015, 2016 jusqu'à 2017, c'est le C là qui est en circulation. Et c'est là où, eh, comment dirais-je aussi, vous comprendrez la déclaration de l'épidémie, la surveillance, parce que la surveillance aussi, ça implique ce qu'on appelle la surveillance de laboratoire. Donc, pour permettre d'abord de diriger quel est le germe en cause. C'est en ce moment-là que on va déclencher tous les armadas de ce qu'on appelle la riposte. Peut-être on va en venir. Docteur Haidera, vous qui êtes euh, au CSI euh, euh le, germe C, c'est l'un des germes les plus dangereux Bon, oui, lors de la surveillance, vous savez, quand il y a une, euh, une épidémie ou une surveillance, on fait une surveillance épidémiologique, parce qu'il faut rappeler que la méningite survient il y a la ceinture, il y a une ceinture euh, ménagétique qui est là, du Sénégal jusqu'en Éthiopie. Et il y a des périodes. ça, c'est la ceinture. Je voudrais qu'on parle du, oui, c'est la période... de l'aspect C. Après, on verra la ceinture. Oui, euh, c'est toujours dans la surveillance. C'est-à-dire, quand cette période arrive, généralement, si vous vous rappelez, c'est toujours en période euh, de forte chaleur que cette épidémie-là s'annonce. Donc, dès cette période-là, on commence à faire la surveillance. Et c'est dans cette surveillance-là que depuis ce temps, le, cas qu'on avait déclaré, c'est le méningocoque C. Donc c'est pour vous dire que cette surveillance-là, c'est quoi C'est dès qu'il y a des cas présumés, on fait la ponction lombaire, on prélève le liquide et on analyse au laboratoire. Donc la surveillance au niveau du laboratoire. Et on a chaque échantillon, on amène, on analyse et on voit en fait c'est quel type de germe qui est en épidémie. Il y a plusieurs types de germes, comme on l'a dit. il y a les même parmi les C, il y a les méningocoques, c'est-à-dire qui sont les plus virulents. À part les méningocoques, il y a plusieurs types. Mais même parmi les méningocoques, là, ce qu'on a découvert pour le moment, après l'analyse, c'est le méningo C qui est déclaré comme cause de l'épidémie dans ces, dans ces zones-là. Donc, c'est suite à cette surveillance, et ça, ça permettra n'est-ce pas, de déclencher ce qu'on appelle la riposte. Parce qu'on ne peut pas vacciner sans savoir qu'est-ce qu'on va vacciner. Maintenant, au moins, on sait que c'est le méningo C, euh, le C qui a réapparu. Donc, c'est ça qu'il faudrait vacciner. C'est dans toutes les régions. Hein. C'est le seul, c'est le seul germe. Et c'est le, C qui est de prédominance. D'accord. On va à Doussou avec euh, docteur Momouni Garba. Pour vous qui êtes au, au centre mère et enfant, c'est le C qui prime également oui, au centre mère, nous avons pu confirmer que 5 cas parce qu'on n'a pas euh, les possibilités au niveau du laboratoire pour confirmer, mais on a eu un problème de rupture de matériel, mais quand même les cas confirmés, les trois cas, c'est le méningocé. Et les deux autres, vous n'avez pas encore de confirmation Les deux autres, ce n'est pas encore confirmé. On va revenir à vous, docteur, euh, pour euh, la partie dispositif. Mais je, je, je, prends docteur Issouf qui est le plus concerné d'abord, en attendant d'arriver à vous. Euh, quel le dispositif donc, avant de parler de dispositif, parce que l'identification du sérotype en cause, c'est ça qui va vraiment déclencher, je dis bien la riposte. C'est important parce que ça implique surtout ce qui concerne la population de la vaccination, qui n'est pas d'ailleurs le seul pilier. Quand vous prenez en fait, j'ai parlé de 13 sérotypes. Et ces sérotypes sont liés à ce qu'on appelle le nécessaire méningite 10. Parce que vous avez d'autres qui sont hémophilistes impliqués qui peut entraîner des, euh, de, la, méningite. Donc, sur ces, et sur ces 13-là, j'ai dit bien c'est 6 qui sont capables d'entendre des épidémies. Et le C, la particularité d'ici ça peut entraîner des, des, épidémies, des fois de longue durée euh, comment dirais-je, euh, si la réponse n'est pas suffisamment adaptée. Mhm. Maintenant, parlons parlant de cette réponse, justement. Oui, le, dispositif, le ministère en a parlé. Pour, euh, le ministère dispose d'un stock de, produits, je veux pas, vous allez prononcer le, nom du produit, qui permet de prendre en charge plus de 22 000 malades. Voilà. voilà. Donc, pour parler du dispositif, ça, la réponse englobe tout il y a trois façons définies par l'OMS pour prendre en charge qu'on est en face d'une épidémie, quelle que soit l'épidémie, que ça soit ménagite ou pas. Hmm. Le premier que les gens oublient d'ailleurs, c'est la surveillance. C'est-à-dire, on est à mesure en sorte que tout cas présumé, ou bien ce qu'on appelle les cas suspects, donc, on fait une définition standard des cas. On dit toutes les personnes qui présentent tel nombre de signes, on peut le considérer comme étant un cas de méningite. On le notifie, accompagné, comme il l'avait dit, d'une ponction lombaire pour la confirmation. Et actuellement, beaucoup de cas étaient négatifs. Ça, on n'en parle pas trop. Mais les, dans, dans, dans, les cas, eh, comment dirais-je, prélevés à hauteur de 84% des cas, nous avons le si. Il y a aussi deuxième pilier qui est ce qu'on appelle la prise en charge des cas, ou bien les soins. Ça veut dire quoi C'est là où ça va impliquer maintenant. Quand on isole, il faut chercher de manière rapide une molécule qui agit sur ce germe-là. C'est quoi une molécule qui agit Ça veut dire que le germe doit être sensible à un produit, à un comprimé, si vous voulez, en termes un peu clairs, qui tue ces, ces microbes-là. Donc actuellement, et c'est d'ailleurs le Niger était le premier à expérimenter ça. Quand avant c'était ce qu'on appelle le chlorinfénicol, qu'on utilise. Mmh. Mais en 2015, donc euh, autour de janvier, en, à l'OMS avait amené à faire un nouveau protocole qui inclut maintenant une nouvelle molécule qu'on appelle la subtraction avec un protocole. Mm. Et le protocole dit mm. maintenant pour un adulte, il faut mm. euh, comment dire, 2 grammes par jour pendant 5 jours de traitement. Ici, si c'est un enfant, on l'ajuste en fonction du poids, notamment 5 mg par kilo de poids corporel par jour, pendant 5 ans, euh, jours, excusez-moi du terme. Donc, et actuellement, et le troisième pilier, je vais maintenir au niveau du deux, parce qu'il y a la surveillance actuellement, il y a, on a disposé dans les régions de la safety action. C'est là où le ministre a parlé de 22 000 cas de personnes actuellement, par exemple, si on, dit qu'actuellement le Niger a 22 000 cas de méningite, mm. l'État est capable de les soigner et de manière gratuite. Parce que c'est important, en termes d'épidémie, il n'y a pas de frais de consultation ou bien de soins. Donc, on a disposé. Et si vous multipliez, par exemple, en termes de flacons, si vous voulez en avoir, eh, si vous prenez un adulte, il devrait avoir eh, à peu près 10 flacons d'un gramme de réaction pour avoir un traitement complet. Donc, vous multipliez, par exemple, pour 22 cas, vous allez avoir 22 000, euh, vous allez avoir eh, à peu près la quantité disponible de subtraction. Et tout est acheminé selon les régions Tout, le monde tout est acheminé au niveau des régions. Ça, c'est, je vous donne la, confirmation au niveau de la situation et il peut même peut-être le, confirmer. On, va joindre, on va joindre docteur Momoni qui est au centre mère et enfant. Docteur, vous qui êtes au centre mère et enfant, justement, la prise en charge, comment ça se passe Est-ce que vous êtes dans la disposition de vraiment de faire face à l'épidémie, pas encore, à la maladie, j'allais dire pas vraiment parce que le centre mère-enfant n'est pas habilité à gérer les cas d'épidémie de, de méningite. Donc euh, c'est vraiment, on improvise pour le moment. On n'est pas dépassé. On a, la, on a une salle qu'on a isolée pour gérer les, les cas de méningite. Mais quand même, tout ce qui est comme médicaments, on, nous avons un quantité suffisante. Mais notre, euh, le, plus grand problème, c'est vraiment comment isoler les cas. Sinon, pour le côté médicaments, on en a assez. Mais 22 cas, c'est quand même euh, beaucoup. Comment vous faites pour faire face à la situation Bon. Heureusement pour nous, les cas ne se sont pas présentés en même temps. Ça s'est euh, étalé dans le temps. Généralement, on a par semaine pas plus de 5 cas à gérer. Donc, du coup, on n'a pas été euh, notre capacité de gestion n'a pas été dépassée. Et pour le moment, vraiment, on a assez de médicaments de satisfaction, c'est surtout la molécule que nous utilisons. Nous ne sommes pas en rupture et vraiment, il y a une quantité suffisante. Euh, tout se passe bien Tout se passe, bon, je ne peux pas <laughs> dire que tout se passe bien parce que c'est ce que je vous ai dit. On n'a pas de, centre d'isolement. donc il faut un centre d'isolement. Quoi encore Voilà, le centre n'est pas équipé pour avoir un centre d'isolement. C'est notre risque pour le moment. Oui. Alors, comme votre problème est connu, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont en train d'être prises pour euh, résoudre ce problème Oui. Euh, dans le temps, généralement, en cas d'épidémie, c'est l'hôpital du district il y a un espace là où on fait des tentes, on installe des tentes et voilà, on, accueille les malades là-bas. Donc pour le moment, étant donné que la situation n'est pas euh, vraiment très grave, ça ne dépasse pas les compétences du, centre-mère, donc euh, ils n'ont pas jugé utile d'installer les tentes pour accueillir les malades. Voilà. C'est la solution en tout cas envisagée et déjà, selon le directeur du centre, ils ont quand même cinq tentes en attente. Et là, mais c'est pas encore placé. Donc, le moment, on n'a pas assez de D'accord, merci. On, nous restons en ligne. Docteur Aydara, vous qui êtes au CSI euh, euh qui est quand même euh, sous surveillance, qui, qui atteint le seuil. Oui, bon, je rectifie, je suis au CSI mais c'est à côté du Kwarategui, euh, c'est toujours, à côté. Voilà. C'est le même district. C'est le même, non, c'est le district 2, nous sommes au district 1. Mais c'est quand même, le proche. concerné. Voilà, oui, c'est concerné. Quand, on parle d'épidémie, c'est même le, voisin est concerné. Donc, euh, pour revenir, en fait, il faut différencier les choses. Il y a la prise en charge de la maladie, c'est-à-dire la méningite elle-même, et la prise en charge de l'épidémie. Parce que maintenant, comme on a déclaré que le district 2, à savoir le CSI le Franco, sont en épidémie, maintenant ce n'est plus un traitement de la maladie, mais c'est un traitement de l'épidémie qu'il faut faire. Pour le traitement de la maladie, déjà, le, produit qui est très efficace, est disponible dans, tous les CSI. Le saturation, on l'en connaît dans tous les CSI. Et même ces derniers temps-là, avec euh, euh, l'alerte et l'annonce du, du, ministre, effectivement, on a ravitaillé tous les CSI. Ça, c'est le traitement de la maladie et la surveillance. Maintenant, pour la prise en charge de l'épidémie en tant que telle, c'est là où il faut vraiment agir vite. Hmm. C'est quoi Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce que vous entendez par la prise en charge de la prise en charge de l'épidémie, comme on l'a dit, il faut les produits. Déjà, le produit Déjà le produit là. Il faut les personnels. Parce que quand c'est une épidémie, c'est encore une autre prise en charge qui est difficile. Imaginez-vous dans un CSI, on a dit que euh, ça passe, les cas notifiés passent de la case de santé au CSI et au district. Imaginez-vous dans un CSI où c'est une seule infirmière qui fait la garde ou deux infirmières qui passent la journée avec ces cas d'épidémie, il faut les renforcer. Il faut les renforcer. Là, on n'est plus le traitement de la, de la maladie, mais c'est le traitement de l'épidémie. Il faut les renforcer. Le produit est là, renforcer le personnel. Et l'autre aspect aussi, c'est surtout les matériels qu'il faut. En dehors du produit. En dehors du produit. Il y a les matériels, de prélèvement. On a dit qu'il faut faire le prélèvement. C'est ça qui donne le vrai résultat pour dire effectivement on est assez d'alerte ou assez d'épidémie. Le matériel de prélèvement. Bon nombre de CCSI n'ont pas de type de prélèvement. Vous, vous en avez On en avait. Et là, c'est là où je précise que c'est là où les partenaires ont un rôle à jouer. Parce que même l'année passée, c'est des partenaires. Je prends le cas de, de Magama précisément. Des pistes de solutions. On va avant de venir à ces pistes. D'accord, d'accord. la parole à docteur. Je, je, vais ajouter, je vais ajouter. Donc, ces matériels de prélèvement sont très, très, très nécessaires pour la prise en charge de l'épidémie en tant que telle. <laughs> Docteur Issoufou, vous qui avez mis en place le dispositif, vous avez parlé du matériel, le produit est là, c'est confirmé, mais il y a l'aspect prise en charge de l'épidémie, si je comprends bien où il faut parler du matériel, où il faut parler du personnel. Oui, et effectivement, en termes d'épidémie, l'essentiel. ça a été souligné par les deux, intervenants, oui, oui. je, je, vais en venir par là. L'essentiel, c'est d'avoir une molécule identifiée qui agit efficacement sur le germe et de la disponibiliser au niveau des structures de santé. Vous parlez du produit, hein Du produit. Tout le monde est Maintenant, en, plus, il y a ce qu'on appelle, il parle de traitement adjuvant. Donc, ce qui accompagne les, le produit. Donc, parce que tous les cas ne se présentent pas de la même façon. La, symptomatologie, les pédiatres, eh, ils en savent quelque chose, nous tous. Donc, par exemple, si la personne, dans des cas graves ou convulses, on peut associer diazépam donc il faut nécessairement à ce que la structure ait ces euh, produits aussi qu'on peut associer dans le traitement si on fait de la fièvre, même s'il y a l'antibiotique qui va agir, parce que l'antibiotique n'agit pas tout de suite hein, pour refroidir euh, l'infection en cours. L'idée ici, c'est le matériel et puis le, personnel, puisque oui. le on a déjà. Oui, c'est ça que j'ai dit. Non, je ne parle pas du secteur seulement. Par exemple, il faut du, parasamol, par exemple. C'est ça qu'on appelle euh, les, ceux qui accompagnent le traitement. Maintenant, le matériel de prélèvement. Logiquement, je vous ai parlé de la surveillance. À chaque cas, en ce moment-là, on peut prélever. Dès lors que on a confirmé le germe, on a identifié ce tel, euh, le C qui est en circulation à Niamey, en ce moment, si on déclare l'épidémie, on n'a pas euh, nécessairement besoin maintenant de prélever tous les cas on lance le traitement, on va sur le principe de ce qu'on appelle la définition des cas. Est-ce que le matériel est disponible Mais c'est ça, je vous dis. Oui. Le matériel de prélèvement Oui, comme ils l'ont souligné, eux, ils n'ont pas le matériel nécessaire. Euh, pour prélever Oui, c'est un des problèmes qui, ont été, qui, a été soulevé. Bon, à ma connaissance, euh, je ne pense pas si actuellement, il y a, aussi, à Niamey, il y a des CSI qui ne prélèvent pas ça. C'est, en, connaissance, non. Parce que pourquoi D'abord, Niamey est il y a surtout le district 2 et ce qu'on appelle sous la surveillance cas par cas de la méningite. Donc en dehors même de temps d'épidémie, chaque district, chaque euh, structure de santé, CSI, est capable de prélever un cas de méningite qui se prévente, même si de façon sporadique. Ça, c'est Niamey, parce que j'étais de mon ancien district. Donc, parce que ce n'est pas tous les districts qui sont sous ce qu'on appelle la surveillance cas par cas. C'est une surveillance le personnel. Maintenant, le personnel. Là, si le CSI pense que c'est un euh, management. Le chef, c'est si. Tu as des personnels. Normalement, et c'est là où euh, les conséquences des, des parce que ça fait mobiliser et ça fait de fois même perdre ce qu'on appelle le, notre travail de routine, parce qu'on va se focaliser sur la, la Donc, c'est au chef de personnel de là-bas de pouvoir faire réquisitionner. Malheureusement, on va encore davantage augmenter le travail euh, pour les agents. C'est parce que c'est ça aussi eh, les conséquences de l'épidémie. Si tu as, j'arrive, si tu fais trois jours avec euh, congé de récupération, oui, repos, 48 euh, heures et autres, en temps d'épidémie, tu peux même pas avoir ça. Donc, euh, c'est comme ça qu'on. il, faut jouer, c'est au responsable de Parce que je ne pense pas, si aujourd'hui et, la région, parce que ici, d'abord, c'est la région, c'est même pas le ministère par rapport au, cas. Si la région peut faire mobiliser, la seule façon que la région puisse mobiliser, c'est quand on crée un site d'isolement unique à Niamey en ce moment-là, la région est obligée d'alimenter en personnel ce site d'isolement-là. Mais si, mais c'était pas ça qui est préconisé. Chaque CSI gère à son niveau. Donc, c'est au niveau du CSI qu'on gère maintenant le Merci pour ces précisions. On va à la deuxième, dernière partie, qui est la maladie elle-même. Et là, je vais joindre docteur Momouni Garba. on n'a pas peut-être bien défini la définition de la méningite, mais surtout, quelle est la différence pour les enfants et pour les adultes quand on Oui, la méningite, la définition rapide et la différence entre la méningite pour les enfants et pour les adultes. Est-ce qu'il y a une différence et euh, qu'est-ce qui les différencie Merci beaucoup. Et la définition de la méningite, c'est une inflammation des enveloppes qui protègent le cerveau. Maintenant, du point de vue différence, on peut avoir, il y a deux types de différences. D'abord, les germes. Les germes qui, les enfants ne sont pas seulement euh, atteints par le méningocoque. Il y a beaucoup de germes qui peuvent les concerner. Dans la méningite, il y a le staphylocoque, il y a le chirurgia coli, il y a beaucoup de germes. Maintenant, généralement, c'est des cas qui ne sont pas concernés par la méningite concernée parce que ce n'est pas contagieux. Donc c'est le nettoyage seulement qui, se sait faire parce que ça c'est contagieux. Maintenant l'autre différence, c'est surtout les manifestations cliniques. Chez l'adulte, les signes clés, c'est beaucoup plus euh, les maux de tête sévères, la fièvre euh, et puis les crises de convulsion. Chez l'enfant, on peut ne pas avoir ça. Euh, généralement, eux, ils présentent des signes comme toutes les autres maladies, comme par exemple le paludisme, c'est généralement des enfants qui présentent une diarrhée avec mouvements et de la fièvre. Parfois, on voit la fontanelle qui est un peu bombée. Donc, généralement, c'est les deux types de différences qu'on rencontre dans la ménopause, chez l'enfant et la différence avec euh, la. et, et le stade de complication, c'est quoi c'est l'enfant beaucoup plus, ils sont très sensibles parce que c'est des cerveaux qui sont en développement. Donc le cerveau de l'enfant est très fragile Il y a une inflammation de l'énergie. Et généralement, les complications qu'on rencontre, c'est le retard mental. L'enfant peut ne pas arriver à avoir l'âge euh, normal, l'âge mental normal avec les autres. Et il peut perdre euh, l'audition, il peut devenir sourd, il peut perdre aussi et eh, la vie. Donc, la vie, c'est-à-dire qu'il peut devenir eh, aveugle. Généralement, c'est les cas, mais il y a des cas plus eh, sévères, comme les l'hydrocéphalie, c'est-à-dire que c'est de l'eau qui va s'agglutiner dans la tête et la tête va devenir très grosse. C'est les complications généralement qu'on rencontre chez l'enfant. Merci pour ces précisions. Euh, nous revenons avec Dr Haidara. Et pour parler, on va mettre l'accent sur la prévention maintenant, puisque nous tendons vers la fin. Euh, qu'est-ce qu'il faut pour prévenir euh, Qu'est-ce qu'on doit savoir pour prévenir la maladie au niveau des citoyens simples d'abord D'accord. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'il faut comprendre que la méningite, comme on la définit, c'est une maladie infectieuse et très contagieuse. C'est-à-dire, dès qu'il y a des signes, ces signes sont une forte fièvre, des céphalées, des vomissements, en G, c'est-à-dire des vieillissements qui sont euh, très rapides, à grande vitesse. Chez l'adulte, une raideur de la nuque, c'est-à-dire la, euh, personne ne peut pas tourner le, cou ou bien ne peut pas s'asseoir sur son lit sans plier les genoux. Chez l'enfant, il a dit, c'est le moment de la fontanelle ou euh, chez l'enfant, la mollesse du, du, cou. Donc, dès qu'il y a ces signes-là, il faut vraiment s'orienter vers un centre de santé le plus proche pour la prise en charge. C'est le plus indiqué. C'est le plus indiqué. Maintenant, pour ce qui est de, de, de, la prise en charge, comme on l'a dit, c'est déjà disponible. Pour ce qui est de, l'épidémie, l'essentiel est déjà fait. Au niveau quand même de Néami, on a eu à détecter c'est qui, la cause, quel type de, de, est responsable de l'épidémie. C'est le méningo C. Et je crois que les mécanismes est déjà déclenché pour que le vaccin soit disponibilisé et que les personnes, déjà le ministre l'a dit, ceux qui sont en épidémie seront vaccinés de 2 jusqu'à 20 ans, si j'ai bonne mémoire. Ils vont circonscrire la zone. Quand on dit circonscrire la zone, c'est-à-dire là où il y a l'épidémie et les environs aussi. Ah. Et je crois qu'il y a une dose tampon qui est là, qui est disponible. Docteur, docteur Issoufou, euh, le ministère a parlé même de vaccination gratuite et une campagne de sensibilisation de la population. Qu'est-ce qu'il faut rapidement comprendre par là, euh, nous sommes pour la vaccination gratuite Nous sommes maintenant on ce qu'on appelle le troisième pilier de la riposte, la vaccination. Et c'est ça que les gens, malheureusement, les gens donnent beaucoup plus d'importance à ce pilier-là, qui peut entrer aussi dans ce qu'il venait de dire dans la prévention. Donc, euh, j'aimerais en venir par rapport à la définition, parce que ce qu'il a donné tout à l'heure, euh, docteur, c'est effectivement ça, c'est la définition clinique. Mais en épidémiologie, il faut aller beaucoup plus une définition sensible qui permettra de rassembler beaucoup de cas hmm. pour que les cas ne s'échappent pas. Donc, on prend quelques signes qui ne sont même pas spécifiques de la maladie. Donc, quand la personne, par exemple, il avait cité euh, fièvre, euh, euh, comment, dirais-je, bon, raideur de la nuque, donc qui sont génériques. Et dès que l'enfant se présente, l'infirmier ou bien quel que soit le profil de l'agent de santé, il va se dire voilà ce qu'on nous a donné. Cette définition des cas est disponibilisée normalement dans les structures de santé. Donc, systématiquement, on dit c'est un cas. À ce moment-là, lui, on, met en route le traitement, la prise en charge. Donc, ça veut dire que beaucoup de cas ne, s'échappent pas aux structures de santé dès que ça se présente. Et, c'est pour ça là, ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit là est très important. Dès qu'on constate ces signes-là, c'est de venir immédiatement. Maintenant, la vaccination. Et dès qu'il y a une déclaration officielle d'une épidémie, donc dans les normes de l'OMS, c'est obligatoirement de se faire ce qu'on appelle la vaccination de masse. Cette vaccination de masse, il y a plusieurs façons. Il y a ce qu'on appelle qui est immédiate et urgente, c'est de faire ce qu'on appelle la santé vaccinale, qui comprend quoi Non seulement de prendre la population à risque qui est concernée, c'est-à-dire les, trois euh, quartiers-là, et de faire aussi les, autres qui sont autour de ces quartiers-là. Donc, en ce moment, on soustrait rapidement la population de Niamey, parce que Niamey constitue maintenant une population à risque. Et, ça commence quand, cette campagne de vaccination de masse Parce que le temps passe rapidement. Si vous avez des dates, puisque c'est le ministère. Et dans tous les cas, dans les normes, hein, je dis bien les normes de l'OMS, quand on déclare une épidémie, le ministère a jusqu'à un mois pour faire la réaction. Mais j'ai dit, eh, en attendant euh, le ministre, eh, comment dirais-je, la réaction serait rapide. Parce que, c'est-à-dire, c'est pas obligatoirement, on attend quatre semaines. J'ai dit mhm. c'est-à-dire, quel que soit dans ces quatre semaines, quand on fait la réaction, on est dans les normes. Parce que l'OMS, il y a des normes malheureusement pour la santé aussi, pour faire les évaluations. Donc maintenant, avec date précise, ici, je ne saurais vous dire quand est-ce qu'on va commencer la vaccination. Parce que la vaccination implique d'abord aussi la formation des agents qui vont aller piquer. On ne donne pas la seringue à n'importe qui. Comment on conserve ces vaccins, tout ça. Ah, si on suit bien le ministre, en tout cas, toutes les dispositions sont prises pour que cela soit et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je reprends les propos du ministre de la Santé euh, sur le point de presse d'hier. Voilà, nous sommes, euh, nous allons essayer de, nous sommes à la fin de ce, de ce forum qui, qui a traité de la méningite et des dispositions prises pour euh, faire face à l'épidémie. Nous avons, comme, nous avons eu comme invité Dr Issouf Jibou, épidémiologiste et à la direction de la surveillance et riposte aux épidémies. Dr Moumouni Garba, médecin, euh, pédiatre au centre mère-enfant de Dosso et docteur Haïdar Haruna du, chargé des relations extérieures du syndicat des pharmaciens et médecins dentistes Saint-Famed. Voilà, c'est la fin de ce forum. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour une autre thématique. Bonne soirée.